Génération FM. Generation FM, the best radio. Il y a eu euh, une stigmatisation des vaccins qui sont apportés au Sénégal, tels que Covid, tels que HPV. Les gens se disent que si tu prends HPV, une jeune fille de 9 à 14 ans, tu ne vas pas procréer. Or, scientifiquement, ce n'est pas prouvé. C'est pourquoi nous avons pris notre bâton de pèlerin pour justement sensibiliser les populations, mais aussi sensibiliser, en tout cas, euh, tout le monde pour que euh, les gens prennent ces vaccins qui sont une aubaine pour les populations. Parce que le cancer du col de l'utérus fait des ravages. Et si tu n'es pas suffisamment nanti, je me demande comment tu vas t'en sortir. Et lorsqu'une maladie atteint l'état de cancer, évidemment, ce qui s'ensuit, euh, si on n'a pas l'assistance du Tout-Puissant, c'est véritablement la mort. Mais aussi Covid, on a beaucoup stigmatisé ce vaccin. Mais nous, au niveau du Bouloudji, nous nous sommes dit que aucun état sérieux ne peut demander à exterminer sa population, d'autant plus que quand on extermine une population, euh, ça deviendra un désert. Or, on ne peut pas diriger dans un désert, mais ce sont les populations qui font qu'on parle d'un État. Donc nous nous y croyons, c'est pourquoi véritablement nous avons fait un plaidoyer pour que les populations acceptent de prendre euh, ce vaccin. Aujourd'hui, vous vous en êtes euh, rendu compte, une conférence qui vient appuyer ce que nous sommes en train de faire. Et en marche de la conférence également, il y a la vaccination qui marche vraiment comme c'est des roulettes. effectivement il faut que nous changions parce que nous, nañ ni ñu bëri ñi nga xam ne xamuñu ci santé ou bien ñeneen ñi nga xam ne xam nañu ñuy lëndëmal xelu nit ñi ci ay wax yu bëri vaccin bu ñu ñëwee am ñu bëri dañuy naan euh, lu euh, nguur gi di def mooy te ñun Euh, suñu taxawaay du loolu pour ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo indi loolu ñoom xam nañ li xew lu mel ni feebar bu ñu naan cancer du col de l'utérus gis nañu lu mu nekk di def ci ay ravage maanaam jigéen boo ko amee boo ci taxawal bu baax te d'ailleurs pour nga am moyen pour faju euh, dina jafe trop boo moytu nga faatu te dañu ne fa faju fagaru moo gën faju donc euh, buñ ko defee ci walu vaccin yakarna euh, lu bax la mais it am ben vaccin bi nga xamné mom moy euh, Covid 19 gis nañ fi 2019 ba 2020 kenn mënul def dara ci sunu réew ndax feebar bu hawa metti mo dugg ci réew mi kon dañoo woté pour ñu mëna am vaccin bobu, te machallah ñu ngi ci ben conférence te conférence bi ñu ngi profiter également